23, il vient d'être 11h à Niamey et vous nous écoutez à travers les ondes de radio partenaires. L'émission Le Niger sur Kalangou, c'est avec le duo Rukaito Abdraman et Ali Munkaila alias Seno. Bonjour Seno, comment ça va Je vais bien Ruki, et toi ça va Tranquille. Alors on dit quoi c'est avec le flash d'information que nous ouvrons cette émission. Un rendez-vous musical 100% nigérien vous attend comme d'habitude. Maman Hiro Salif est notre invité du jour. Il est artiste, conteur et détenteur de master en art et culture. Dans la rubrique euh, Hebdo Éducation, notre réalisateur Aladdin nous parlera des effets spéciaux en cinéma. Guru Hassoumi sera avec nous pour euh, la page sport. Le reportage région nous amène à Maradi pour parler de l'impact de la chaleur sur l'organisme humain. Enfin, la rubrique Loti concoctée par les femmes du studio Kalangu. À la technique, nous avons la grande dame Amina Hassan et à l'édition Rahilatou Soumana. Fidèles auditeurs, pour débuter l'émission, Rafika Taher est avec nous sur ce plateau pour présenter le flash d'information. Bonjour Rukaya. Bonjour Rahila. Bonjour Rafika. <laughs> Rafika, bonjour. bonjour Seno. Alors. Alors. pour les nouvelles, le Niger abritera le 24 juin prochain un sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des États sahélo-sahariennes, SENSAD. L'annonce a été faite par le secrétaire exécutif de l'organisation, Brigitte Raffini. Depuis 2010, notons que la SENSAD n'a pas eu de sommet ordinaire des chefs d'État alors qu'il est censé se réunir tous les ans, a déclaré Brigitte Raffini fini au sortir d'une audience avec le président de la République. Il affirme placer tous les espoirs dans cette rencontre pour redresser et revitaliser cette organisation qui est à son avis extrêmement importante pour les États membres. Ensuite, euh, le Premier ministre Oumoudou Mahamadou s'est rendu au centre de santé mère-enfant de la région de Dosso où il a visité la plupart des services du centre. Des explications détaillées du fonctionnement de ces entités lui ont été fournies, notamment les difficultés qui entravent le bon déroulement de certaines prises en charge des femmes et des enfants. Et enfin, le comité paritaire conjoint de concertation a tenu une réunion hier à Niamey, co-présidée par le directeur général des impôts Mohamed Man Ousmane et le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Niger Moussa Sidi. Plusieurs questions d'intérêt national ont été abordées et qui ont débouché sur des recommandations visant à enrichir la politique fiscale nationale et par la même occasion améliorer le climat des affaires au Niger un cadre pour anticiper et préparer les mesures afin de ne pas avoir des difficultés d'application lors de l'exécution de la loi des finances a été mis en place. Merci Rafika et à très bientôt dans une prochaine émission bientôt, Notre invité du jour, je l'annonçais, répond au nom de Maman Hiro Salif. Il artiste, conteur et détenteur de master en art et culture. Bonjour Hiro, vous êtes bien installé Oui, très bien. Bonjour à vous. <laughs> Bonjour. Alors, avant de vous donner la parole, Hiro, nous vous proposons d'écouter avec nous cette chanson de l'artiste Maman Sani Mati qui nous chante Masu Tahia. les immigrants, Maman Sani Mati est plus connu sous le nom de Admoulmoula qui vient du nom de l'un de ses titres phares bien connus des Mélomales nigériens. Admoulmoula s'est lancé dans la musique en 1997 en collaboration avec un groupe d'amis. Ils ont fondé le groupe de rap Mazanfadje, l'un des précurseurs du mouvement hip-hop au Niger dans les années 1990. Et oui, depuis 2005, il évolue en solo dans un style tradit moderne, conciliant, conciliant autant pour moi les instruments issus de ces deux mondes, notamment le gourmi, le kalangu, le ganga, le garia. Il maîtrise plusieurs langues locales et s'intéresse à tout ce qui touche à la tradition nigérienne. Ah, plus, avec plus de deux décennies d'expérience, il a été sollicité pour enseigner la musique au département art et Culture de l'Université Abou Diofo de Niamey. Par ailleurs, il a créé la compagnie de fabrication d'instruments de musique et du spectacle vivant films Adoumoula et Concorde et coordonne le réseau nigérien d'artistes pour le changement. retour au studio avec notre invité Maman Hiro Salif, qui, je le rappelle, est conteur et détenteur de master en agriculture. Bonjour Hiro. Alors bonjour à vous. Alors euh, pourquoi vous vous intéressez au conte Dans quel but euh, alors, merci à vous. Et euh, en tout cas, je remercie profondément le studio Kalangu. Je vous remercie, vous, de m'avoir euh, invité, de m'avoir permis de venir ici m'exprimer. Alors, avant de vous répondre, je voudrais, si vous me le permettez, je voudrais rendre hommage à un certain nombre de conteurs et nos, précesseurs qui nous ont permis quand même euh, aujourd'hui de raconter. Je vais dire euh, Albert Kachibo, qui est un ancien conteur, un traditionnel de Tawa. Mhm. Puis ensuite, je vais dire Mana Boulami, qui est, dont le nom, comment on appelle ça, pour sauvegarder sa mémoire, et on a donné son nom à la MJC de Difa. Puis ensuite, je vais, je vais parler de Diado Sekou aussi, et ensuite, je vais parler aussi de Yaji, et Dogoyaji, et que nous avions célébré ici le 20 mars passé à l'occasion de la journée mondiale du conte. Et donc, je, je, je leur rends hommage parce que c'est eux qui ont su, ici au Niger, qui ont su poser le compte comme, euh, comme moyen artistique, euh, moyen d'expression artistique, mais aussi comme métier. Donc, euh, et ensuite, pour revenir à votre question, pourquoi le compte <laughs> Je répondrai tout simplement parce que c'est notre patrimoine oral, mais aussi parce que c'est notre tradition orale. Et parce que je me dis que c'est, en tout cas me s'agissant, c'est le conte qui me rapproche le plus de, mes ancêtres, mais c'est le conte aussi qui me rapproche le plus de ce que je suis. Donc voilà ce qui m'a porté vers le conte. Au début, je faisais du théâtre mais progressivement, c'était un choix personnel. Mhm. J'ai pu me dissocier de plus en plus et, me concentrer qu'au compte. Mhm. Voilà. Ok. Alors, Hiro, euh, quelle est la place euh, du compte dans notre société Ou disons, quelle est sa contribution dans notre quotidien Ou disons, euh, dans l'éducation La place du compte dans notre société. Je pense que le compte occupe une place très importante dans notre société, ou disons, le conte a occupé une place très importante dans notre société parce que, comme je le disais tout à l'heure, le conte, parce que c'est notre patrimoine oral, ça veut dire que c'est ce que nous a légué nos ancêtres avant de partir. Et donc le conte, autrefois, était le moyen le plus efficace, d'accord, pour pouvoir éduquer mais pas que pour éduquer. Mhm. C'est aussi le moyen le plus efficace pour pouvoir passer du temps, mhm. pour pouvoir se distraire, pour pouvoir euh, rire pour pouvoir aborder la vie aussi. Donc, euh, bien avant euh, en Afrique, parce que on, parle du conte dans un contexte africain, je pense qu'en Afrique, bien avant que l'on connaisse cette école à laquelle nous, euh, nous sommes fidèles aujourd'hui, nous avons connu l'école traditionnelle. Et à l'école traditionnelle, c'est le conte qui est l'outil principal, parce que l'école traditionnelle, c'est l'enseignement par les traditions orales. Et le conte est le genre principal et, de la tradition orale. Donc euh, je, pense que le conte occupe une place très importante dans notre société d'avant. Mais aujourd'hui, mhm. on remarquera que les choses ont changé, que les choses ne sont plus comme avant parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère moderne. Voilà, c'est là qu'intervient ma question. <laughs> Au Niger, est-ce qu'on peut dire que le conte occupe toujours sa place dans le temps ou est-ce qu'il a connu une évolution J'aurais voulu répondre que oui, occupe, le compte occupe toujours une place très importante, mais eh, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui et à partir aussi de mes petites expériences, mhm. j'ai je, le cœur qui pense et en vous répondant que le compte euh, n'occupe pas cette place euh, euh, très importante parce que on, a l'impression que le compte est délaissé à lui-même. Mhm. et, ça aussi, il y a plusieurs raisons pour cela. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, et avant c'était la principale euh, source de distraction, mais aujourd'hui, avec toute l'avancée technologique mhm. et, et, des médias aussi, les gens ont plus euh, tendance à se tourner vers la télévision, vers les, euh, comment on appelle ça, l'internet, les vidéos, que vers le compte qui pourtant est un moyen d'éducation efficace. Mm-hmm. Alors, euh, Hiro, une petite question parce que là, vous, vous parlez également du contexte actuel. si aujourd'hui, est-ce que les compteurs ne peuvent pas essayer de, de s'adapter au contexte pour que la jeunesse euh, actuelle puisse aussi euh, continuer à vivre euh, cette même expérience que vivaient nos, nos, nos, aînés, si je peux le dire. Oui, merci Seno pour cette question. Je pense que et, beaucoup de compteurs essayent de s'adapter à cette réalité d'aujourd'hui. Et en cela, vous allez voir aujourd'hui, beaucoup se tournent vers le web. Avec leur compte, ils se tournent vers le web. Ils font des vidéos aussi pour pouvoir proposer à cette jeunesse-là qui n'a de temps que pour eh, les smartphones, qui n'ont de temps que pour l'Internet. Mais aussi, par exemple, vous allez voir parfois ah, et, des gens aussi qui se tournent vers euh, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ok, d'accord. Avant de poursuivre euh, cet entretien, nous allons souffler en musique et nous retrouvons l'artiste, nous retrouvons cette fois-ci l'artiste Kamikaze Liman avec son morceau ne me fais pas semblant. On écoute. fais pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Faut faire semblant. D'abord, si qui y qui est gars, ne fais pas semblant. Ne me fais pas garder à mon dos. Ne faut choisir ton camp. On ne te redonne pas le tambour L'hypocrisie, le malin c'est mes par Babylone, Babylone. Des moments vraiment bec il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon avenir, j'ai comme il pour diviser. Tout pour le déguiser, il t'a pas pour te cisailler. Babylone, mon gros Babylone, yeah, yeah ne me fais pas semblant de m'aimer si tu me détestes. Faut se faire semblant d'abord si tu ne qui assez. Gars, ne fais pas semblant, ne me fais pas garde à mon dos. Ne faut choisir ton camp, on ne te redonne pas le temps, boy. L'hypocrisie, le malin c'est mes par Babylone, Babylone. Des moments comme avec un il t'assaille. T'auras jamais l'occasion de te liquider. N'a gagné mon affaire, j'ai tâté comme pour diviser. Tout pour me déguiser, et pas pour te cisailler, Babylone. Mon Babylone, yeah, yeah.

Eh oui, Kamikaze, euh, une légende vivante de la musique nigérienne, Kamikaze Liman ou encore Kaz Liman est un artiste, auteur, compositeur, interprète, arrangeur et producteur. Il, a commencé sa carrière en 1997 au sein du groupe euh, Le Clan des Opposés. Il a ensuite euh, rejoint le groupe Wangari deux ans après avec Snoop et Bill Kate. Kamikaze est l'un des pionniers du mouvement hip-hop au Niger. Porte-voix de la jeunesse, il est considéré par la presse et le public comme la figure prouée du rap engagé. Son œuvre évoque les, les, inégalités et les injustices sociales, les abus de pouvoir et la corruption. Titre Wiza. Entre 2003 et 2012, Kamikaze Liman a sorti trois albums Masha'Allah en 2003, Salam en 2005, Parcours de combattant en 2008. De plus, il a participé à plus de 100 événements hip-hop, concerts, festivals, tournées et j'en passe au Niger, au Burkina et en France. Kamikaze est présentement en studio pour un grand projet bientôt dans les bacs. Bonne et, bonne et longue vie à l'artiste. Fidèle auditeur, euh, nous sommes de retour avec notre invité. Si vous venez de nous capter, nous sommes avec Hiro, le conteur. Alors, Hiro, peut-on qualifier le conte comme euh, un métier dans le contexte nigérien euh, Oui, c'est Le conte, c'est un métier, même dans le contexte nigérien. Mais peut-être que là où il, faut un peu plus s'apaisantir, c'est est-ce que le conte comme métier nourrit son homme Peut-être que c'est là que la discussion se pose, mais depuis la première génération de compteurs traditionnels que je vous ai cités mhm. jusqu'aux générations précédentes, tous ceux-là n'ont de métier que le compte. Et tous ont ce vécu. Donc je pense que le compte, c'est un métier au Niger. Mais seulement, il y a un certain nombre de problèmes auxquels les compteurs sont confrontés dans l'exercice euh, de, leur métier. Ok. Alors, euh, actuellement, est-ce que vous êtes euh, nombreux vous êtes nombreux, vous, les compteurs, ici au Niger, est-ce que vous êtes nombreux Au Niger, il y a beaucoup de compteurs. Il y a, eh, il y a beaucoup de compteurs, que ce soit à l'intérieur du pays ou même ici à Niamey, ils sont nombreux. Et Hiro, est-ce que vous rencontrez des problèmes Si oui, lesquels Oui, euh, comme tous les métiers d'art ici au Niger, je pense que euh, nous rencontrons assez de problèmes et l'un des problèmes que nous rencontrons en tant que nous, en tant que compteurs. C'est surtout, par exemple, quand vous prenez parfois le manque d'audience. Parce que euh, vous allez constater que quand il s'agit du compte, n'est-ce pas, et, le public parfois est assez et réticents parce que euh, on, a l'impression que ça ne les intéresse pas quelquefois. Et aussi, quand, dans, les problèmes, nous avions aussi, euh, nous sommes confrontés plutôt au manque de soutien soutien dans, euh, sur toutes les formes, que ce soit le soutien des, des partenaires ou que ce soit parfois le soutien même de, le soutien de, la famille, le soutien social en un mot. Et puis ensuite aussi, même nous en tant que tels comme artistes, parfois nous avons les problèmes de nous former parce qu'il faudrait d'abord se former pour pouvoir aller au fond de soi et servir aux autres, c'est que l'on a de plus important. Mhm. Et donc, euh, on a un problème euh, pour pouvoir se former. Il y a beaucoup de compteurs, mais la plupart des temps, vous remarquerez qu'on les voit moins parce que euh, justement, et beaucoup, après un certain nombre d'efforts consentis, alors que ces efforts-là ne payent pas, ont préféré se retrancher et, un tout petit peu, pas tous bien sûr, mais la plupart. Ok. Alors, euh, que faut-il faire pour euh, remédier à ces problèmes Hiro selon vous Oui, selon moi, mis à part, d'abord, et, comment on appelle, je vais parler du compteur lui-même d'abord. Je pense que, en tant que compteur, on doit d'abord euh, prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir se former, prendre le temps pour pouvoir et se poser des questions sur l'art que l'on pratique d'abord. Donc une fois que l'on est assez nourri et de la formation et de la question identitaire, donc en ce moment aussi, c'est de lancer un appel auprès des autorités dans un premier temps parce que le compte comme art, il faut le souligner et délaissé même par les autorités. Parce que quand on regarde, en tout cas, il n'y a pas fort que l'on que, les autorités consentent pour pouvoir sauver ce tard-là de ses vestiges. Donc, c'est de leur lancer un appel euh, vraiment déjà euh, de soutenir les artistes conteurs qui viennent vers eux avec des, projets. Et aussi, c'est de lancer un appel auprès de vous, auprès de tous ceux qui nous écoutent, de soutenir le conte mhm. et aussi de s'intéresser mhm. au conte Hiro, est-ce que vous avez un message à lancer à l'égard de vos fans, ceux que vous inspirez, qui veulent bien devenir conteurs comme vous euh, Le seul message que j'ai à leur donner, c'est de leur dire d'écouter leur cœur de faire ce que leur cœur leur dise. si ils ont envie de raconter eh, des histoires, alors que rien ne les empêche de raconter. Parce que quand même, il y a un plaisir assez intéressant que l'on tire parce que c'est ça aussi je le dis et moi en tant que conteur je pense que je ne fais pas plaisir dans un premier temps je ne fais pas plaisir aux autres mais je me fais plaisir moi parce que il y a un plaisir fou que l'on tire quand on se met à raconter aux autres quand on se met à explorer parfois des vies que l'on ne connaît même pas des histoires que l'on ne connaît même pas donc je leur dirais d'écouter leur cœur et d'aller là où leur cœur leur dit d'aller. Voilà. Merci infiniment, Hiro, euh, d'avoir non seulement répondu euh, à notre invitation et d'avoir aussi euh, répondu à toutes nos questions. Nous vous souhaitons une excellente journée. Chers auditeurs, on fait une petite, une petite pause et on revient juste après. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, à présent, parlons éducation numérique euh, dans la rubrique hebdomadaire. Oui, c'est nous, nous sommes dans ce studio avec Rachid Maïga, dit Aladdin. il est réalisateur et journaliste reporter d'images. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des effets spéciaux qui donnent vie à nos films préférés. Alors, Aladdin, il faut d'abord commencer par nous dire ce qu'est un effet spécial dans le cinéma. Bonjour Ruki, bonjour Seno. Vous savez que c'est toujours un plaisir pour moi de venir partager ma passion qui est le cinéma. <laughs> Donc euh, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous allons parler des effets spéciaux dans le cinéma. D'abord, il faut savoir que les effets spéciaux sont des techniques utilisées pour créer des illusions visuelles ou sonores qui ne peuvent pas être réalisées dans des conditions normales de tournage. Ils nous transportent dans des mondes fantastiques nous font croire à des créatures extraordinaires et donnent vie à des scènes d'action époustouflantes. Exemple, quand on parle de Avatar, quand on parle de, euh, comment on appelle ça, La Belle et la Bête, euh, ces effets spéciaux-là, c'est ça en fait les effets spéciaux qui sont dans, dans, le cinéma. Alors euh, Aladdin, dites-nous quelles sont les catégories d'effets spéciaux qui existent dans le cinéma en réalité, en fait, il existe deux types de catégories spéciales pour euh, pardon pour les effets spéciaux. Tout d'abord, nous avons les effets spéciaux pratiques qui sont utilisés euh, physiquement sur le plateau de tournage. Hum, en fait, c'est-à-dire que c'est des, des, des effets spéciaux qui euh, mettre en avant tout ce qu'il y a dans le film, tout ce que nous, nous mettons comme maquillage, comme euh, teint, fond, vous on appelle ça fond de teint en maquillage, n'est-ce pas ah <laughs> Comme fond de teint pour créer une certaine, pour créer une certaine type de vision hein, dans le film. Ça peut inclure l'utilisation des maquettes, d'explosions contrôlées, des cascades et bien d'autres techniques ingénieuses. C'est-à-dire que quand vous voyez dans un film, le héros est en train de courir ah, dans une voiture de puis boum C'est pas vrai. Ah. Oui, c'est ça les effets spéciaux en réalité, les explosions qu'on voit sur les plateaux de tournage. Donc c'est ça les effets spéciaux. Ça c'est pas vrai, c'est juste des, effets qu'on a essayé de mettre en place pour que quand vous vous regardez à la télé, vous ayez l'impression que la voiture a explosé. Souvent il y a que des mannequins dedans, souvent c'est même des petites voitures qui sont qui sont à l'intérieur. Vous avez vu comme Jurassic Park. Dans Jurassic Park, on voit des dragons, des dinosaures qui sont en train de courir. Mais c'est pas vrai. C'est des effets que les gens ont créés pour donner l'impression que c'est des vrais dinosaures qu'il y a sur, sur, euh, dans le film. Voilà. Euh, alors, Aladdin, les effets spéciaux, là, se résument seulement à des explosions et à des créatures fantastiques Non, pas du tout. Les effets spéciaux sont également utilisés pour créer des époques historiques, modifier des décors, améliorer les performances des acteurs et bien plus encore. Des artistes des effets spéciaux travaillent en étroite collaboration avec les réalisateurs, les directeurs de photographie et les monteurs pour créer une expérience cinématographique immersive. C'est-à-dire que quand, je parle de cela, vous avez vu Game of Thrones Aujourd'hui, c'est impossible d'avoir un environnement dans lequel on tourne Game of Thrones en réalité. Donc, c'est-à-dire que tout l'environnement là a été créé dans un ordinateur. Et ça aussi, c'est un effet spécial. Ce n'est même pas que les explosions, mais on peut créer tout un pays, toute une époque. On peut vous amener, par exemple, en 1501 ou bien en 091 <laughs> avant Jésus-Christ. et, tout cas, D'accord, Aladdin. Alors, euh, je suppose que ce n'est pas facile de, de réaliser des spéciaux. Alors, quels sont les, défis auxquels sont confrontés les artistes euh, des effets spéciaux Oui, c'est vraiment pas facile de réaliser des effets spéciaux, il faut le dire, parce que ici au Niger, même si on compte bien, nous avons pas de techniciens assez fort euh, forts pour faire de très bons effets spéciaux. Parce que tu sais, un effet spécial, le problème avec les effets spéciaux, c'est que quand c'est mal fait, ça se voit automatiquement et puis ça devient ridicule. Donc, c'est ça le problème. comme, un... poisson qui traverse la route. Ah, Exactement. <laughs> c'est mal fait, c'est bizarre. Ça devient bizarre. Où le monsieur qui, on est en train de lui tirer dessus, et puis il est en train, il est en train de faire. Il est en train de, faire il est en train de bouger, et puis il tombe. Alors que normalement, quand on te donne une balle dans la tête directement, tu tombes, tu meurs. Donc, c'est ça en réalité. Donc, euh, les effets spéciaux, il, faut, il ne faut pas sous-estimer les effets spéciaux. La pression, la pression est élevée quand il faut faire des, effets spéciaux sur les artistes. Mais avec les avancées de la technologie, les nouvelles opportunités émergentes, les télé, euh, les réalités virtuelles, la réalité augmentée, actuellement Facebook est en train de faire des merveilles avec la réalité augmentée. Mhm. Avec la réalité <laughs> augmentée, il faut dire que les effets spéciaux sont en train vraiment de devenir un tremplin pour, euh, les, pour les réalisateurs, pour les producteurs. Et je suis certain que dans quelques années, euh, même au Niger, le, nous serons des professionnels en effets spéciaux. Voilà, voilà c'est tout pour aujourd'hui dans notre exploration des effets spéciaux dans le cinéma. J'espère que comme moi, vous avez beaucoup appris. Aladdin, merci à une prochaine fois. Merci, à bientôt. Poursuivons avec la musique au plaisir de nos auditeurs actuellement à l'écoute et cette fois-ci, je propose euh, du reggae avec l'un des reggae man nigériens au nom de Black Ça donne tout simplement mandat de conscience. C'est un morceau très satirique qui condamne la pratique de coup d'État dans les États africains et particulièrement au Niger. Yakubo Moumouni, alias blackmailer est un acteur, compositeur et interprète de reggae. Et oui, Black euh, commence la musique en 1996 euh, en tant que choriste. Un an plus tard, il reconstitue avec euh, des camarades et étudiants l'orchestre de l'université de Niamey baptisé les camarades du campus. En 2000, Black Miller lance sa carrière solo et enregistre son premier album qui sort en 2001 sous le titre Libération. En 2009, il enregistre son deuxième album intitulé Coup de destin. Actuellement, Black Miller est le directeur général du bureau nigérien des droits d'auteur BNDA. Direction Maradi pour retrouver notre correspondant Mohamed Maman qui parle de la chaleur dans la rubrique reportage des régions. Effectivement, le mercure monte dans toutes les régions du Niger. À Maradi, les populations vivent un calvaire à cause de la chaleur. Les fortes pluies enregistrées il y a quelques jours n'ont pas adouci les températures. Euh, et cette situation met à rude épreuve l'organisme. Reportage Mohamed Maman. Ces derniers temps, malgré les quelques pluies déjà enregistrées, les populations supportent difficilement cette canicule. Quelques jeunes filles de Maradi s'expriment au sujet de cette chaleur étouffante, surtout quand le soleil est au zénith. Il fait très chaud. En tout cas, elle est insupportable. C'est pas facile de la gérer. Du coup, on porte des habits genre légers qui sont pas lourds. On prend beaucoup d'eau parce qu'avec la chaleur là, on essaye, mais on n'arrive pas avec euh, la chaleur là. <laughs> Voilà, on est obligé de la supporter. On prend des nombreuses douches, les ventilations et autres. Pour Ilya, un docker d'un âge avancé, il prend toutes les précautions pour ne pas s'exposer au soleil. Akwai zahi sosai bakin dai misalin abin da mu muke ji. To abin da ya sauki in muka samu wuri ya zama mana wurin da iska ke bugawa ba za mu shiga inda da kunci kamar ɗaki haka ba mu shiga shi yanzu sai dai mishin huda a waje sai lokacin da kamar ƙarhe biye zuwa uku da dare sannan mu zai shiga cikin ɗaki amma ga halin yanzu babu magana ka shiga ɗaki ko ka ce ka da rana ko kuma bayan sallar isha'i ka shiga da rana bai yiwuwa aiki cikin sanyi ya yi ga rana akwai matsala in kayo shi ma ba kai ra kai wanka sai sanyi ya sabko sai zuwa ƙarhe shidda ko biyar da rabi kai wanka in dai haka aikin ƙari ko wannan zahi ya buge ka ya ratsa jikinka ka kai kana irin hitsarin nan mai ja to in kana sararin wanka yanzu ka tashi da matasara kenan ba ka yin wanka sai dai ka wanke kahuwanka da huskarka duk irin dattin da ka ɗauka sai ka bari sai zuwa biyar sai ya sabka sannan sai ka yi wanka Selon le docteur Manu Amadou, cette chaleur favorise le développement de certaines maladies. Quand la perte d'eau est importante, ça crée ce qu'on appelle une déshydratation, c'est-à-dire que l'organisme va avoir une insuffisance de l'eau. Surtout chez les personnes âgées, surtout chez les jeunes qui s'exposent à la chaleur. Et l'organisme, quand vraiment il a un manque d'eau, il a insuffisance d'eau, vraiment ça crée une léthargie. L'organisme ne fonctionne pas normalement. Ça peut même entraîner ce qu'on appelle le coma. Et c'est les fréquentations les plus fréquentes à cette période, c'est surtout les maladies respiratoires. Il y a certains microbes qui cherchent cette chaleur-là. Donc, le vont profiter vraiment pour se multiplier. Quand tu se multiplie ça veut dire que ça ne va pas sans conséquence. En l'occurrence, nous avons le paludisme, nous avons la fièvre typhoïde, nous avons euh, la méningite, donc qui profite de cette élévation de la chaleur. L'organisme ne supporte pas une élévation importante de la chaleur. Les gens vont se mettre à suer donc la sudation, c'est une manière pour l'organisme de se refroidir, ramener cette température à un niveau qui sera acceptable pour l'organisme. Le niveau acceptable pour l'organisme, température le matin, c'est 37 degrés. Le soir, 37,5. C'est ça qui est accepté par l'organisme. Nous avons la tension qui est diminuée. Oui, la tension diminue. Si l'individu habituellement il a 14, 15, avec la déshydratation, il revient à 10, à 9. Quand la tension diminue, l'organisme ne fonctionne pas normalement. Surtout les reins, le foie, le cerveau ne fonctionnent pas normalement. Donc pour le docteur Manu Amadou, il est bon se protéger. Le conseil que nous donnons aux jeunes, surtout ceux qui s'exposent à la chaleur, ils vont perdre beaucoup d'eau. Donc il ne faut pas qu'ils s'exposent à la chaleur. Les travailleurs, il ne faut pas qu'ils s'exposent à la chaleur. Comment se mettre à l'abri de la chaleur Oui, si vous êtes nanti, vous pouvez avoir un climatiseur chez vous, là vous vous mettez à l'abri de la chaleur. Ou bien se mettre à l'ombre. Il faut boire surtout beaucoup d'eau. C'est avec impatience que les gens attendent la saison de pluie qui peut faire adoucir le temps. Cependant, il faut prendre le mal en patience, surtout avec les coupures intempestives de l'électricité. Chers auditeurs, notre correspondant est au bout du fil. Allô Mohamed Allô, bonjour. Oui, bonjour, ça va Bonjour Mohamed. je viens, je ça va bien. Alors, à Maradi Mohamed, à combien s'élève la température de la journée ah, la température, elle monte, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe, elle peut aller euh, à 40 ou voire euh, au-delà. Euh, en tout cas, ces derniers temps, la, la, chaleur, elle est intense et vraiment, elle met les corps à rude épreuve. Les gens vraiment souffrent énormément. Surtout, euh, ah oui, non, c'est vrai, c'est vrai, ces derniers temps, c'est vraiment compliqué. Aïe, aïe. Et Mohamed, est-ce qu'il y a des endroits, des jardins ou autres à Maradi où on peut aller se, rafraîchir quand les, températures montent comme ça Malheureusement, oui, il y a des jardins euh, pour des euh, propriétaires qui peuvent accepter aux gens d'aller se, reposer pour se rafraîchir. Mais euh, des jardins publics, euh, non, à Maradi, il n'y en a pas. Mm. Et euh, vous allez voir, surtout quand il est vers midi, 13h, les gens, chacun cherche un coin, chacun cherche de l'ombre pour euh, se reposer euh, afin de se protéger euh, de ce soleil. Ok eh. Mohamed, merci hein. et espérons que les plus fragiles sont protégés et restons à l'abri quand c'est possible. Observons une petite pause avant la suite, chers auditeurs. chroniqueur sportif Gourouza Hasumi est dans la place. Bonjour Gourouza. Bonjour Ruki, bonjour Sinou. Gourouza, aujourd'hui nous allons parler de la Super League euh, du Niger et à sa 17e, journée mais suspendue temporairement. Ah oui, Ruki, euh, c'est à cause des éliminatoires de la Coupe nationale qui se déroule en ce moment même. Euh, mais je m'en vais d'ailleurs vous donner le classement par équipe pour la 17e journée. Guerre Nationale occupe la première place avec 36 points, 17 matchs joués, dont 11 gagnés. AS Police, deuxième avec 32 points, 17 matchs joués, 9 gagnés. L'AS Douane occupe la troisième place avec 31 points, 17 matchs joués, 8 matchs gagnés. US Gendarmerie prend la quatrième place sur les 17 matchs joués et il a gagné 9 matchs. En bas du tableau, on retrouve la GST de Tawa avec 14 points, 17 matchs joués, deux matchs gagnés et le Gorzo de Maradi 7 euh, points avec 17 matchs joués et un match gagné. Alors, euh, Gourouza, parle, nous hein, de la réunion de la CAF euh, ce jeudi en Algérie. Oui, euh, sinon c'est pour étudier les différentes options concernant le nouveau format et les dates des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La toute première version qui sera disputée avec 48 sélections de 9 ou 10 pays africains. Et pour rappel, le nouveau format de la compétition prévoit la participation de 48 pays lors de l'édition qui sera tenue aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Et Gourouza, la Tunisie accueille le 22e championnat d'Afrique dames et le 33e championnat d'Afrique hommes de l'haltérophilie. Oui, euh, ça a débuté d'ailleurs lundi et 127 athlètes de 17 pays africains qui participent d'ailleurs à ce rendez-vous euh, dans la capitale tunisienne qui s'étalera euh, jusqu'à demain et constituera d'ailleurs une des étapes qualificatives aux Jeux olympiques euh, Paris 2024. Cette compétition sera rude entre les altéraux et une bonne opportunité d'ailleurs pour beaucoup de sélections dont la majorité des athlètes sont à leur première compétition qualificative. Merci Gourouza et à très bientôt. Merci beaucoup. Beaucoup d'élèves pensent que les scientifiques sont des mauvais littéraires. C'est nous, n'est-ce pas ce que tu te disais quand tu étais au collège <laughs> ah, Dis-nous la vérité. Oui, mais je m'en suis vite euh, rendu compte au fil des années. Bref, aujourd'hui, nous allons vous présenter Amadou Daouda. Il a 48 ans et il enseigne les mathématiques au niveau secondaire à Agadez. Sa particularité, il est également passionné d'écriture comme le slam. Rabia Mekano s'est entretenu avec lui. Voici son portrait. Je suis enseignant de mathématiques. Je suis très passionné de l'art oratoire. J'ai été rappeur dans les années 94, 15, 16 jusqu'aux années 2000. J'étais dans des groupes de rap. J'ai même fait partie donc de Safonda qui avait gagné le premier concours de rap du Niger en 2004 avec Senou Trap. Je me suis découvert Slammer parce que quand j'étais rappeur, mes couplets étaient relativement plus longs que les couplets des autres euh, et mes vers étaient tellement libres. J'écrivais, je manipulais la langue française telle que je la voulais. Et on se plaignait chaque fois que je monopolise le micro parce que j'avais tellement de choses à dire et je voudrais me singulariser. Et je m'étais fait mal compris. Voilà pourquoi j'ai fait de groupe en groupe. J'ai créé Houdia Messendioza Maradi ensuite j'ai fait Kena Kena au Calais puis Safonda à Tilaberi. Finalement, je me suis retrouvé avec ça en 98 quand Grand Corps Malade avait écrit Midivan. Je faisais ça bien avant de connaître Grand Corps Malade, mais je ne savais pas que c'était ça le slam. D'où vous êtes venu cet amour pour les mots parce que vous êtes euh, les maths. Nous, tout, est question de les mots. ne sont pas des littéraires. Non, non, non, on ne peut <laughs> pas être mathématicien sans être un bon littéraire. Parce que les connaissances mathématiques se transmettent dans une langue. Donc, euh, je ne peux pas transmettre mes connaissances à mes élèves si je ne peux pas comprendre cette langue, et apporter les nuances pour amener les apprenants à comprendre ce que je dis. Donc moi je me dis que on ne peut pas dire qu'on est scientifique sans être littéraire. Quels sont vos projets Le slam pour moi ne doit pas seulement concerner une classe d'âge ou bien de rang social. J'ai un projet que j'ai appelé Lire, dire, écrire. Donc euh, lire, dire, écrire concerne les élèves de la seconde à la terminale. Ce sont des sessions d'écriture, de lecture publique euh, LHV, lecture à haute voix, et aussi maintenant il y a les ateliers d'écriture, il y a les mhm. débats. Voilà, donc ça peut aider non seulement pédagogiquement, estudiantinement et aussi et promouvoir le slam et aussi donc l'amour de cette langue. J'ai aussi des textes en langue bossa, en langue zarma, qui sont vraiment des slams purs. Donc, non seulement écrire, faire un livre de ce slam, essayer donc euh, de distribuer ces livres-là dans les établissements scolaires et aussi faire un album vocal. Voilà, ce sont ces perspectives-là que j'envisage. Merci Rabia Mekano pour ce beau portrait. Fidèles auditeurs, c'est l'heure de retrouver les femmes du studio Kalangu pour la rubrique Loti. Oui, la rubrique euh, porte sur la conséquence des fake news sur les réseaux sociaux. En effet, ils sont nombreux les utilisateurs qui partagent des fausses informations sur les réseaux sociaux sans pour autant vérifier l'authenticité des faits. Et cela euh, comporte euh, des risques car il y a une loi qui sanctionne la publication des fausses informations par voie électronique au Niger. Écoutons Rakia Arimi et Samira Rouafi. affairage, affairage. affairage. Halima, c'est quoi Pourquoi tu cries mon nom comme ça Qu'est-ce qui t'arrive Regarde ce que je viens de recevoir dans un groupe sur WhatsApp. Le président du parti PFK Fetila est en train de distribuer de l'argent dans tous les villages environnants pour qu'on vote pour lui. Tu es sûr de ce que tu dis Qui t'a envoyé le message Toi aussi, ce n'est pas important. Il l'a fait, non hum. Nous sommes du camp opposé. On partage au maximum. Attention, ma chérie. Si ce n'est pas vérifié, cela s'appelle de la fausse information. C'est aussi une diffamation. Si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que c'est publié Mais pour les nuire. En tout cas, je te préviens que le partage des fake news comporte énormément de risques. Désormais, le chantage, la diffamation et autres infractions par voie électronique sont sanctionnées. Subhanallah. Ah oui, sache même qu'une loi a été adoptée au Niger en 2019 pour réprimer la cybercriminalité. Il s'agit de loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 cela veut dire que ces genres d'infractions sont sévèrement sanctionnées et peuvent aller de la confiscation du matériel de travail à l'interdiction de diffusion des messages électroniques sur les sites ou tout support électronique. Aussi, il peut y avoir des peines privatives des libertés et des amendes. Comment Ma chérie, tout ce que tu dis là, ce n'est pas un peu exagéré Moi, je ne fais que lire et partager les informations chaudes. Hey, ma grande, méfie-toi, hein. Tu risques de te brûler un jour en partageant cette information sur le président de Fitila. Si jamais elle n'est pas vérifiée, tu portes atteinte à la dignité de cet homme. C'est quand même une diffamation. C'est très grave. Ah bon C'est vraiment sérieux ces histoires. Hein. Mais si c'est comme ça, vraiment ma chérie, je te dois toute ma gratitude pour m'avoir si bien éclairée. Hé Regina <laughs> pas de quoi. Tu m'as même interrompu. Je n'ai pas fini de t'énumérer ce qu'est l'ordonnance sur la cybercriminalité. Hé, eh, ne finis pas ta phrase. Je t'écoute. Continue seulement. Si tu commets une infraction via un moyen de communication électronique, le juge va ordonner à titre complémentaire de publier à tes frais par extrait la décision sur le même support dans les 15 jours suivants de la date de la condamnation. Si tu ne les fais pas, tu seras condamné de 6 à 3 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 à 10 millions. Oui, oui, oui. Mais c'est compliqué d'utiliser les supports électroniques maintenant. Facilement, on peut nuire à une autre personne sans même le vouloir. Mais ceux qui le font exprès, en payant les frais alors, D'ailleurs, j'arrête d'utiliser WhatsApp. Je vais même désinstaller l'application. Ainsi, je serai plus tentée de publier quoi que ce soit. <laughs> non, arrête. Qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas besoin de te couper du monde. Évite juste de partager n'importe quoi. Hmm, d'accord, je vais y veiller. <laughs> tu as vu, non Oublie ça. Viens voir cette vidéo. Ah, non, non, non, non. <laughs> non, non, non, non. J'espère que ce n'est pas pour nuire encore à une autre personne. Ah. Moi, j'ai eu ma leçon. Non, c'est la vidéo de mon anniversaire. Ah, <laughs> ok. Fais voir. Et eh oui, mesdames et messieurs, à l'instant, c'était bien euh, la rubrique Lotti des femmes euh, du studio Kalangu mission, Le Niger sur Kalangou, c'est aussi la découverte des mots et expressions. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Soumana Amadou. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Pour la rubrique Culture linguistique, il nous explique les contours du mot migration. Effectivement, Asamaka est la dernière grande ville du Niger avant d'entrer en Algérie accueille des personnes refoulées de l'Algérie. Ces personnes sont appelées des migrants. Les migrants sont les personnes en migration. On peut définir la migration comme tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituel, soit à l'intérieur d'un même pays, soit par-delà une frontière internationale. Certaines personnes se déplacent à la recherche d'un futur meilleur, tandis que d'autres le font par contrainte parce qu'une situation l'impose. La migration concerne aussi certaines espèces animales, par exemple

dillu maɓɓe tawa ɓe dilludu nden ne kadi mbawi wiide dilluɗo e dam kam wonno neɗɗo egga wuuro muɗum yaaha nokku goɗɗo fesi e nder leydi gotir ndi noon naadu kondan ƴarto keerol hakkude leydi e leydi nder duniyaru nden en du konda du no tawa fawar joni du dillo e enda woɓɓe yaha ngam batte tewto nokkuje goɗɗe to heɓa wuura guurnan kesam woɓɓe do tilsan dow mumen noon eggude nokkuje ɗe endan naato dillo wanno ndu e endam noni fawar joni du kondan ne dilludu ndu no ƴeewa dabbaji du pooli kañum e liƴƴi no dilla ka en du ene nokkuje en naadu koɗo leydi e leydi wakkati warde wakkati ɗum woni mbaka warde mbaka merci soumana pour ces éclaircissements et à très bientôt ah, merci beaucoup à vous tous et puis bonne continuité Merci. Fidèles auditeurs, si vous avez des mots ou expressions dont vous aimeriez bien avoir leur signification en français, Zarma, Hausa, Fulfulde, Tamashek et même en anglais, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message texte ou contactez-nous au 82 86 86 64. Je répète 82 86 86 64. L'émission Le Niger sur Kalangu, c'est aussi un espace d'expression. Nous donnons la parole à nos auditeurs pour faire un coucou à leurs proches, mais aussi pour faire des suggestions sur nos productions. D'ailleurs, nous allons écouter quelques-uns. Amina Haruna wallahi ina sauraron shi abin gaskiya suna da kayatarwa domin Allah in ba dan haka nan ba wani labarin ma ba kajin shi in ba ta nan ba tunda gaskiya abu ne mai amfani mai inganci wanda ake bukata cikin ƙasa ana son shi su ƙara lokaci labarin nan na studio Kalangu wallahi suna kayatar da mu mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har rediyon nan tamu ta samu nan ƙarin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shine kuni. kuma fatan da nake musu ubangiji Allah kara musu hazaƙa kara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rijiyoyi ma dake can ƙauye su kara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zamana daidai muna ci godiya ku rike tare da su ma Allah rufe asiri suwai ba ali studio kalangu muna sauraron labaruka wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu akwai maza akwai mata babu bambanci su ƙara dai ƙarfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na ya abdulkadir wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai hakan dai so nake su dan ƙara lokaci kuma kamar labarin da ake na ya kamata a ce a yi shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa ni ne usman sama a nan tanut memba ne mu gaskiya masu jin studio karambu kuma gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku da sauransu sai dai mai fatan kawai allah ya kawar ta ya kurgu muna buƙatan kaman bangaren wurin yare na hausan nan shi muke so kamar a dan ƙara yawan shi saboda ba duka yaren da kuke samu muke ji ba eh, shine shawarar da muke bada a kai eh, Allah wani ya saka alheri ubangiji Allah ya kara ingancin aikin naku ni ne Abdurrahman Abdu eh, dangane da shirye-shirye na Kalangu eh, to walla gaskiya muna jin daɗin shi sosai sirtu ma yanda su sensibilizan mutane suna shiga ƙauyuka suna tattambayin mutane bisa kan haraka wani aihuwa wani espasamadi ne sansa gaskiya muna jin daɗin abubuwan da suke Allah sa su ƙara su ƙara ƙarfin gwiwa assalamu alaikum ni ce malama badariya ibrahim ina sauraron radio studio kalangu yana katar da mu sosai eh suna labaru abin da yake wakana cikin ƙasa gabaki daya kuma yana wannan labaru da suke bada suna katar da mu muna jin daɗi tunda wasu suna da kurakurai sosai in suka yi suna gyara al'amuran su Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était bien les messages vocaux de nos auditeurs. Rookie, tu es chargé de présenter la grande édition de 17h de ce soir. Alors, quels sont les titres Oui, fidèles auditeurs, je vous donne d'ailleurs les titres. C'est aujourd'hui que prend fin à Niamey la première conférence internationale de haut niveau sur l'approche civique dans la lutte contre le terrorisme. La rencontre est organisée par la délégation de l'Union européenne et la mission ECAP Sahel Niger. Nous y reviendrons plus en détail. Pour délivrer un permis de conduire aux étrangers, le Niger, a établi des conditions pour ceux qui remplissent certains critères. Le magazine du jour porte sur les préparatifs de la campagne agricole dans la région de Dosso. Voilà, merci rookie euh, Ruki. Alors euh, nous allons prendre notre dernier morceau inscrit sur euh, notre playlist d'aujourd'hui. Il s'agit bien de l'artiste. C'est qui l'artiste Mouma Bob. Mouma Bob, bien sûr. ነሸጉ አስዌድ ዞር ገለጠሙ ረድዋን ተኩት ነሸጉ አስዌድ ዞር ገለጠሙ አስዌድ ዞር Voilà, c'est ici qu'on va prendre congé de vous, fidèles auditeurs. Vous étiez avec euh, Rookie et Seno à la présentation. À la technique Amina Hassan et à l'édition Rahila Toussoumana, merci à vous qui avez rendu possible la réalisation de cette émission. Merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent sans relâche. Et à demain, vous serez en compagnie de Mariam Adé et Rabia Maikano. Ciao, ciao!